l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Alors, cet après-midi, on va parler de cette belle opportunité qui s'appelle Mélo, Mélo, Mélodie. Et à mes amis artistes qui sont là, je salue également euh, Yahya. En tout cas, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais me présenter assez rapidement. Moi, c'est Saucé Ndiaye, pas avec C. Si vous faites avec C, vous n'aurez pas 10 000 francs avant de sortir la salle. C'est avec 12 S. Maintenant, avant de démarrer, je veux poser une question. Qui dans cette salle peut me donner 10 000 francs Qui dans cette salle peut me donner là de suite 10 000 francs Allez, viens, viens, viens, Viens, viens ici. Donne-moi la salle, Non, je, veux bien, bien, bien de 10 000 francs. 10 000 francs sont les 10 000 Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Je vous les 10 000. Ah, l'argent là. L'argent hein. Ah Merci. C'est un petit. Ah oui, ça sera bien sûr. Ah Johnny, tu, toi, tu caches l'argent où là c'est loin. Hein. Alors, alors, bébé Hadi, Hadi. Ah oui, si, si tu veux, si tu veux. Oh oui, Hadi, Hadi, viens ici. Viens. Allez, vite, vite, vite, vite, vite. Ah oui. déjà riche avant de sortir la. attends. Maintenant, regardez, j'ai trois billets de 10 000 francs. Ça veut dire que je suis déjà riche. Hein. Regardez bien, trois billets de 10 000 francs. Alors, je vais poser une question à Khadigaï. Pourquoi elle m'a donné le, le billet de 10 000 francs Alors, dis-moi, pourquoi tu m'as donné le billet de 10 000 Ah bon, c'est tout Alors, j'ai donné les billets de 10 000 parce que je me suis dit que tu es certainement dans le besoin. Et voilà, puisque j'en ai, pourquoi ne pas Super. Applaudissez les deux. Alors, la leçon qui va être tirée par rapport à ça, Khadija m'a donné déjà 10 000 francs, je lui donne 20 000. Donc voilà, applaudissez tout pourquoi Parce que quand on vous donne une opportunité, ou bien quand on vous donne une information, il faut savoir le saisir immédiatement. Elle, elle a saisi immédiatement dès lors que j'ai dit qui peut donner 10 000 francs dans la salle. Applaudissez très très très fort. Donc après, euh, on va se parler. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Sosengay voilà, je suis entrepreneur leader. Mais avant cela, vous devez connaître déjà mon parcours. Parce que, j'ai, comme Moustapha le disait tout à l'heure, ce n'est pas du jour au lendemain où j'ai décidé d'être entrepreneur. Sauf à l'âge de 12 ans, 12 ans déjà, euh, si je ne me trompe pas, c'est 12 ans ou 13 euh, je me suis déjà lancée dans l'entrepreneuriat, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est élevage, parce que j'aime bien la nature. Puisque mon papa était au village, à chaque fois, euh, lorsque, lorsque, les villageois partaient dans les champs, euh, comme on le disait euh, chez eux, dañuy dem di foraatu gerte man mom ville la Dakar Dakar dem village donc trois mois long. mais puisque man dama am esprit bo à chaque fois bu xalé di dem tool yi damay ak ñom dem di foraatu gerte donc à chaque fois heure bu ma demee foraatu gerte damay dem ci luuma yi dem di ko jaayaat déjà maa à faire du commerce déjà euh, à cet âge là l'âge de 12 ans et 13 ans à chaque fois au bout de je je dama à jàngi ngoon gi damay daw ànd ak xale Mais dem ci Louvain sama yaay de na ba pour que ma me concentre aussi sur mes études en 2019 2018 plutôt on est venu à Dakar donc me poursuivre mon cursus scolaire am sama baccalauréat nekk université C'est Omar Niang donc il est là à la faculté des sciences juridiques et et politiques tout a changé le jour où on m'a invité à une formation. C'était un séminaire d'ailleurs de Vision d'Afrique. Je remercie de passage de Sek qui a changé carrément ma vie aujourd'hui. Parce que c'est grâce à lui, si aujourd'hui euh, je me proclame, proclame leader, c'est grâce à ce monsieur-là. Donc laquelle à chaque fois, quand on vous dit ou bien quand on vous invite euh, sur des séminaires ou bien des conférences, il ne faut pas hésiter à y aller, peu importe. Et aujourd'hui, je vous remercie parce que vous avez laissé toutes vos activités pour être présent pour cette belle opportunité ménorale. Voilà qui est Socié. Socié, est une personne ambitieuse, une personne qui sait vraiment ce qu'il veut. Ce que je veux, c'est avant la fin de l'année 2024, c'est devenir millionnaire en dollars. C'est ça l'objectif que Socié s'est fixé. Pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous savez même prier. Vous priez Dieu, a besoin de sentir, de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Vous êtes là pour gagner de l'argent ou vous êtes là pour attendre que ceci vous donne de l'argent Qu'est-ce que vous voulez Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous servir cette belle opportunité, Meloax. Donc, je vais présenter. Alors, Meloax, comme vous le voyez, Meloax, il y a Melo comme mélodie, play and earn. On a l'habitude de voir sur les entreprises euh, ces genres d'écosystèmes. On entend souvent parler de play to earn. Ici, on parle de play and earn, jouer et gagner. Donc le thème, c'est quoi C'est comment écouter de la musique tout en gagnant de l'argent. On va parler de ça dans un instant. Nous sommes en partenariat avec Solid Group, avec Soir, ne vous inquiétez pas, on va donner en détail tous ces éléments-là, mais également avec Binance Smart Chain. Alors, la première application crypto streaming rémunératrice. Alors, vous allez comprendre que MeloAct, c'est un écosystème complet. Ça veut dire que que vous, soyez, musicien, artiste, qui vous êtes, peu importe. Moi, je ne suis pas chanteuse, je ne chante pas. Même la musique, ce n'est pas trop mes affaires. Mais c'est un écosystème qui te permet de gagner de l'argent. Puisque je me suis fixé un objectif avant la fin de l'année 2024 de devenir millionnaire en dollars, c'est mon devoir également de saisir toute opportunité qui va me permettre d'atteindre ce niveau-là. Donc, nous allons révolutionner l'industrie du streaming musical en étant les premiers à avoir développé une application. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà Spotify et, tout ça. Euh, mais également, l'entreprise, le CEO que je vais euh, vous présenter tout à l'heure, a lancé un token. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas un token, je vais également essayer de, m'exprimer en Wolof pour que le monde également comprendre le projet donc comme je l'ai dit au début Meloax, de faire de euh, entreprise li regroupé ça veut dire que artiste euh, nga élèves, euh, même étudiant élève santé peu importe ce musique mais l'argent comment aujourd'hui je peux devenir millionnaire avec mes donc il y a les partenaires partenaires yaa ngi nii Solid Group Solid Group mooy entreprise bi nga xam ne auditer entreprise bi mais également Pantex Wap nekk benn exchange ex xam ne na leen permettre ngeen mën également token bi nga le le CIO lancé tout ça je vais revenir en détail voilà mes premières applications bi nga xam ne moo leen di permettre ngeen déglu musique faire des actions ngeen regarder des publicités en même temps ngeen gagner a xaalis c'est ça avec l'application. Alors, là, c'est la création euh, de la société à certificat Donc, tout ça, après, bien, comment vérifier. Alors, puis, moi, C'est important. Comme nous avons fait à chaque fois, pour qu'une entreprise soit extraordinaire, il faut des gens extraordinaires. Par exemple, nous avons une affaire de Chiyongo. Il y a des gens qui ont investir sur des business qui ont dans le kan moo nekk derrière business boobu mais pourtant ñu ciy def bu euh, dul mais c'est important aujourd'hui booy def dara di ci yëngu wala yow nga gëm sa bopp am dignité am ngor ak aussi nga bëgg a sàmm sa réputation il est important et primordial nga xam ñan ñoo nekk derrière cette opportunité aujourd'hui ñu am chance am koo xam c'est un chanteur international un homme d'affaires à succès muy Mohombi Mohombi c'est un chanteur compositeur producteur de renommée internationale également vous êtes un investisseur dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. donc pour nous nga xam crypto crypto je ferai une euh, introduction concernant la crypto Vous defee ñu nekk ci salle bi également mën ci gis pas, seen euh, ambassadeur itinérant des Nations Unies pour euh, la fin zéro mais également collaboré avec Pitbull, mais également avec euh, Kinsey Jones, Nicolas, mais également composé une chansons avec G. Euh, Belvin, Beyoncé avec la chanson Migente, également Jennifer Lopez, euh, Cardi B avec DJ Khalid avec la chanson Dinero, mais également avec Nicki Minaj. Euh, en formation comme man commerce international en licence. Euh, à l'école, euh, à l'université Escolum School of Economics. Euh, am ay récompense deux Grammy Awards comme Youssou Ndour également deux BMI Awards deux Billboard numéro 1. Vous voyez, ces statistiques c'est déjà impressionnant il a plus de 5 millions de chansons vendues dans le monde vous imaginez 5 millions 4 milliards de flux de vues sur YouTube et plus d'un milliard de flux sur Spotify. Là, c'est Morombi. C'est le PDG. C'est celui qui a décidé aujourd'hui de révolutionner le monde musical à travers la première application crypto streaming. Alors, comme Nimoko Hayward au début, il a décidé de lancer son token. Token c'est crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée. Ça n'a rien à voir avec le biais là que vous voyez là c'est quelque chose que vous savez, c'est un biais, n'est-ce pas on peut toucher ça mais non il y a une différence aujourd'hui Vous faites y sa xaalis dafa nekk compte Wave ou Orange Money ça devient quoi électronique numérique n'est-ce pas c'est le même principe mais ici avec Wave Orange Money tout le monde sait que et ay état ou bien entités, entité ou bien institution euh, donc euh, portefeuille alors que ici on parle de la blockchain une blockchain c'est quoi en fait c'est une chaîne bo xamné moy sécuriser tous vos fonds on l'a créé en 2008 la blockchain c'était pas pour argent mais pour sécuriser les données parce que des fois un groupe de personnes ils ñu cypherpunk décidé puisque auparavant, l'État, les gouvernements, peu importe, avaient des contrôles civils privés Nous avons décidé de créer cette association, Ternet, plus jamais ça. C'est une vie privée, nous avons SAM. Donc, nous avons créé un code derrière blockchain. Nous avons donné dans la blockchain. Nous avons ne fa accès du état du gouvernement du gouvernement amul kenn ko ne contrôler vraiment euh, la blockchain monnaie est en 2009 avec une crise économique mondiale Il a créé Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto on sait pas c'est un groupe de personnes Ou bien c'est une personne c'est une fille ou bien ben, c'est un garçon ce qu'on sait c'est que c'est lui qui a créé la crypto-monnaie en 2019 lors de cette crise-là crypto-monnaie également c'est quelque chose qui est dans la blockchain personne ne peut contrôler madame, kenn ne peut falsifier comme billet dix mille bi vous savez que billet 10 000 francs mën nga gis faux billet voilà mën nañ ko copier alors que les crypto-monnaies je pense on espère ay experts sont dans la salle kenn mënu ko copier c'est impossible avec la blockchain donc l'Ole la indi moom dit, créer sa propre crypto-monnaie M-A-P, MAP c'est le token qui s'appelle MAP actuellement le prix du token à 0,10 dollars. Et également, ce token-là est décentralisé. Donc ça veut dire que il n'y a pas de contrôle du état on arrête ça. Donc non, il n'y a pas de contrôle au niveau de ce token-là, c'est décentralisé. Tout le monde peut l'utiliser également. Alors, le LP de pool burn, c'est quoi euh, Vous savez qu'aujourd'hui, il y a l'équipe de crypto-monnaies, ça sort de nulle part, de gauche à droite. Aïssit Cohen, ainsi de suite. J'en passe. Euh, ou bien déjà, il y a opportunités d'affaires a également euh, lancer ses propres tokens. Mais souvent, il y a l'entreprise qui contrôle euh, les investissements Alors que ici, c'est un token qui est lié directement à la blockchain. Même Mohombi qui a créé le token, euh, argent, investir, lui, il n'a pas accès le LP de Poulborg il a décidé de brûler ça voilà donc euh, il y a également Smart Contrat On a groupe sous qui audite régulièrement l'entreprise mais également on sera dans la blockchain publique BSC donc euh, j'ai expliqué tout à l'heure ce qu'est c'est qu'une blockchain donc on sera dans une blockchain publique euh, Binance Smart Chain donc Binance tout le monde connaît déjà Binance déjà le token est disponible Sachant que, entre parenthèses, on a démarré il, y a de cela euh, trois semaines, hein. mais le HAT vient juste de naître, c'est un petit bébé qui vient de naître. Alors, euh, pour les staking, ici on dit jusqu'à 20%. C'est quoi le staking euh, Je donne un exemple très terre à terre. Donc, par exemple, vous voulez épargner la banque. Chaque mois, vous déposez réalistes, par exemple 20 000 francs ou bien 15 000 francs une durée peut-être un an deux ans il y a récupérer son xaalis également ici c'est le même principe c'est le jalonnement c'est-à-dire tu déposes de l'argent tu achètes le token euh, d'ici 12 mois le token va prendre de la valeur mais au-delà de ça l'entreprise a décidé le token bi investir tous les mois daf leen verser 20 je parle de l'investissement mais également, vous allez recevoir tous les jours des retours sur investissement avec, ce, avec euh, cette, staking-là. Alors actuellement, le token map, si vous allez sur CoinMarketCap, vous, aurez, vous, avez, vous allez voir qu'il y a déjà un milliard de token map disponibles. Répartis comme suit. Récompense et staking, 50%. Euh, team, 15%. Et pré-vente, 35%. Alors, quelle est l'utilité du, token map token map Vous allez voir que le staking de MeloAx c'est jusqu'à 20% par moi, je l'ai déjà expliqué. Mais également, euh, le map, c'est-à-dire investissement, les retours, vous allez recevoir en jeton map. Tous les retours, les 20%, vous allez recevoir en jeton map. Mais également, le token map sera utilisé pour investir dans, euh, dans la carrière de votre futur star. Ça veut dire qu'avec l'application qui va sortir, avec par exemple tous les toutes les chansons qui seront dans l'application, avec votre chanteur préféré, vous avez la possibilité d'investir sur votre chanteur préféré, mais également, avec cet investissement, vous allez carrément recevoir un jeton MAP. Le jeton MAP également sera la devise à utiliser. Par exemple, si Mombi décide de faire concert au Sénégal, en collaboration avec Youssou Nour Super Étoile, il peut dire que toutes les personnes qui vont ben, accéder au concert, vous allez payer en jeton. Et ça, c'est en cours. Pour les concerts que Melo hat Morombi va faire, toutes les personnes qui veulent vraiment participer à ce concert-là vont devoir payer en jeton. Donc, ça veut dire tout simplement, le monde est en train de révolutionner économiquement, financièrement, dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, c'est en fait une chance aujourd'hui de pouvoir recevoir cette information. Parce qu'on ne va pas attendre que les blancs, euh, je ne sais pas, qu'ils viennent ici pour vous apprendre c'est quoi la crypto-monnaie. Nous, nous avons la chance, Mustapha l'a dit, c'est l'information qui fait la différence. Toutes les personnes aujourd'hui, les multimillionnaires, les multimillionnaires, la seule chose qui ont, en fait, la seule chose qui ont pu changer leur, leur vie, c'est l'information. Vous êtes là, vous avez reçu une information qu'aujourd'hui, à, 9 il y a une conférence sur Meloax. Si vous saisissez l'opportunité, votre vie peut changer. C'est ce que ces millionnaires-là aujourd'hui, c'est ce que ces milliardaires-là aujourd'hui ont su, ils ont plaqué, laquelle ben, leur vie continue de changer. Et je rappelle que Morombi, c'est un multimillionnaire. Alors, le token map, je l'ai déjà expliqué, c'est déjà échangeable sur PancakeSwap. PancakeSwap, ben, c'est un site où vous pouvez acheter des crypto-monnaies et faire des échanges. Alors, quelle est la mission de Meloax ou bien quelle est la mission de Mohambi Après avoir passé 15 ans au sommet de l'industrie musicale, il a décidé de révolutionner le monde musical. À travers la première application crypto streaming que je viens de, de citer, mais également à aider les artistes à être mieux rémunérés. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a énormément qui sont, que ce soit au Sénégal ou partout dans le monde, qui sont mal rémunérés. Donc c'est ce qu'il veut changer à travers cette plateforme qui est un écosystème, mais également à travers cette application qui va sortir très très très bientôt. Alors, la vision de MeloAx est née d'une volonté profonde de transformer les pratiques et de donner un nouvel élan en l'industrie musicale, mais également le modèle économique de notre crypto-monnaie MAP a été conçu pour promouvoir une croissance euh, ascendante, dans toutes les situations. Alors, caractéristique, ça j'ai déjà presque expliqué, c'est de répétition. La crypto-monnaie s'est décentralisée dans la blockchain publique BSC Binance Smart Chain, mais également avec l'application bah, musicale qui va sortir Melo 2.0, avec un audit régulier avec Solid Group et Certic qui, euh, qui, euh, auditent presque tous les jours l'entreprise. Mais également, euh, il y a des bonus et des promotions. Donc ça, ça va plaire énormément de personnes. Mais également, le support client est rapide. Hier seulement, j'ai un de mes fioles qui avait un problème parce qu'il a fait une erreur au niveau du mail, je pense. Il a sauté un mot. Automatiquement, j'ai écrit au support la minute qui suit, ils ont répondu et puis ont réglé le problème. Donc là, je confirme que le support client est rapide. Euh, le plan de compensation, on va en parler. Le staking, j'en ai déjà parlé. Le revenu quotidien également, vous allez recevoir tous les jours des revenus. Alors, euh, comment ça fonctionne C'est très simple. Pour les personnes qui souhaitent démarrer cette opportunité, la personne qui vous a invité vous donnera le lien d'inscription. Une fois que vous vous inscrivez, vous allez directement acheter une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui s'appelle USDT BEP20. Parce qu'il y a plusieurs réseaux. Il y a les réseau TRC20, BEP20, ERC20. Mais ici, on utilise, je l'ai déjà expliqué, BSC, Binance Smart Chain. OK BEP20. Ça, c'est une crypto-monnaie pour les personnes qui ne connaissent pas l'univers de la crypto-monnaie. Ne vous inquiétez pas. Il y aura une formation spéciale pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment démarrer MeloAds. Mais également, une fois que vous faites le dépôt dans votre compte MailerAct, vous avez la possibilité de faire du staking durant 12 mois, soit 365 jours. Et vous allez recevoir des récompenses euh, en en map chaque seconde. Je me rappelle, j'ai investi 10 000 dollars. À la minute qui suit, bim, bim, bim, bim, bim, bim, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Tu vois l'argent, tu es content. Voilà. Et vous avez également la possibilité euh, de profiter de la hausse du token, mais également, comme je l'ai déjà expliqué, vous pouvez convertir à tout moment vos tokens MAP. L'investissement, c'est très simple. Tout le monde peut avoir accès à MeloAds, parce que ça commence de 50 dollars, soit 35 000 francs CFA, jusqu'à 50 000 dollars. Donc ça veut dire que vous avez 100 000, vous pouvez investir, vous avez 250 000, 1000, peu importe, à partir de 35 000 en tout cas, jusqu'à 50 000 vous pouvez investir avec MeloAx. Alors, le limite de gain, ben, c'est quoi 3 4 avec le plan de rémunération que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, si on parle de limite de gain 3 4, ça fait allusion à toutes les personnes qui vont promouvoir l'entreprise comme je suis en train de le faire. Ça veut dire que les gains, les récompenses que vous allez recevoir, c'est jusqu'à 400% selon votre sticky. D'accord Et actuellement, le prix est fixé à 0,10 dollars. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moment où je parle, euh, on a démarré au mois d'avril. D'ici six mois, le token va rester à 0,10 dollars. Après cela, Morombi a décidé d'atteindre un objectif, c'est-à-dire d'ici au moins ce mois de juillet ou septembre, si on a 500 000 membres actifs, l'application sera sortie mais également, ça va donner de la valeur à notre token map. d'accord, non Vous connaissez l'or. L'or, ça descend, mais également, ça monte. Mais plus il y a des personnes qui achètent de l'or, qui achètent, qui achètent, ça va donner de la valeur à l'or. Pétrole, la même chose. Gaz, la même chose. Plus il y a des gens qui achètent, ça va monter. L'objectif également avec MeloAx, c'est ça. Une fois qu'il y a une communauté qui démarre MeloAx, ça va donner également de la valeur à ce token map. Vous l'avez acheté à 0,10 dollars, le token fait 1 dollar, ça veut dire que quelqu'un qui a 1 million de token map aura 1 million de dollars. Applaudissez. Est-ce que vous voyez ce que je vois Est-ce que vous voyez ce que je vois Est-ce que vous entendez également Ah, là c'est super. Pourquoi Parce que tout à l'heure j'ai dit quoi J'ai dit que mon objectif, c'est quoi C'est d'atteindre les millions de dollars. Je l'ai vu. C'est la vision. La, vision en profondeur. Est-ce que vous le voyez comme je le vois Parce que dès lors que vous avez cette vision de profondeur-là, ça change tout. Vous l'achetez à un prix 0,10 dollars, ça fait 1 dollar. Quelqu'un qui a 1 million de maps, 1 million de dollars, ça veut dire que je suis déjà millionnaire en dollars. Voilà l'objectif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'application est lancée le jour même parce que l'application est déjà disponible. Hein. Ils sont en train de développer euh, l'application. Mais puisque l'objectif, c'est d'atteindre les 500 000 membres, une fois que c'est atteint, l'application sera lancée au grand public. Donc, l'application, elle est là. Donc, comme vous le voyez, il y aura la version bêta que tout le monde peut télécharger sur euh, Play Store ou Apple Store. Alors, le lancement de l'application MeloHax, je l'ai dit au début, nous avons besoin de toi. Meloax a besoin de nous pour se développer. Quoi qu'on puisse dire, je pense que même le CEO vraiment est millionnaire, comme je l'ai dit, en dollars. Donc je pense qu'il n'a même pas besoin de notre argent. Mais quelqu'un qui a une vision claire, qui veut vraiment aider, il doit essayer parce que il y a quelqu'un qui vous des que de faites 100 francs, 100 francs, 100 francs chaque jour wan ko yow naka nga def ba am 100 francs yooyu noonu dafa am solo donc loolu la indi tey pour permettre nit ñi également xaalis bi nga xam ne yor ngeen ko ngeen mën a investir parce que plus ngeen investir c'est ça investir non c'est investir pour gagner quelque chose en retour parce que waxuñu nga jënd terrain par exemple quelqu'un boo xam ne dafa jël xaalisam jënd ko terrain c'est pour investir non d'ici deux ans trois ans peut-être mën na ko jaay double bi nga xam ne mën na ko jëndee woon c'est ça investir vous également, quand vous investissez au sein de Meloat, vous avez la possibilité de doubler votre capital, de faire même fois 4 si vous le souhaitez, tout dépendra de vous. Donc ici, euh, vous allez voir qu'ils sont en train de négocier avec Universal, avec Weiner et Sony, mais également autres distributeurs également. L'objectif, je l'ai déjà expliqué, là j'ai dit 500 000 membres, mais l'idée c'est quoi C'est d'atteindre les 200 000 membres actifs donc, je viens de terminer la première partie où vous avez la possibilité d'investir sur le token et de gagner de l'argent tous les mois, mais également de bénéficier avec l'application qui va sortir, qui va vous aider à écouter de la musique, ben, de, regarder les publicités, mais également de partager pour gagner de l'argent en retour. Nous avons le plan de compensation MeloHat avec les différents bonus pour les personnes qui souhaitent vraiment partager l'opportunité. non, avant de partir sur cette fin, on va déjà donner la parole à toutes les personnes qui, veulent vraiment poser une question avant qu'on avance sur ce plan de rémunération. Est-ce que déjà, il y a des questions par rapport à cette première partie que je viens d'exposer Donc, si vous avez une question, il suffit de lever la main et on vous passe le micro. pour répondre à la question, c'est comment le nom euh, pour répondre à la question de Jules, euh, une question vraiment pertinente. Alors, pour les 1 milliard de tokens disponibles déjà euh, dans sur le market, alors le CEO a dit, donc je pense que je viens de, préciser cela, que l'objectif c'est d'atteindre plus de 500 000 membres actifs MeloHats. Donc la question que je vais vous reposer, est-ce qu'en 2008 ou bien en 2009, y a-t-il un nombre de personnes qui investissaient sur le Bitcoin Donc, raison de plus. Aujourd'hui, la vision de Meloax c'est vraiment clair, c'est d'atteindre un nombre. Et puis, je pense que c'est un chanteur. Il n'a même pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour avoir ce nombre-là. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a plus de 5 millions de vues sur YouTube, plus d'un milliard de flux sur Spotify. Donc, ça va aller très vite. Et on vient juste de démarrer. Raison plaquée, il a décidé ben, d'avoir un million de tokens euh, dans le maquette. Alors, pour l'autre question, euh, je pense que ça m'a échappé. C'était quoi, euh, très cher C'était de savoir. Oui. Est-ce que le système qui sera mis en place sera un Est-ce ah. que la monnaie est destinée à avec le temps D'accord. Ça également, c'est une excellente euh, question. Ben, pour l'instant, comme je viens de l'expliquer, ça sera un stable coin. Pourquoi Parce que je disais que le token va rester stable durant les six premiers mois. durant les six premiers mois qu'on va développer HATS, avec la sortie de l'application, le token va rester stable à 0,10 Après cela, le token peut faire x10, x100, x1000, tout dépend euh, du nombre d'utilisateurs. Alors, risque de perte. Alors, ici, on parle d'investissement. Je ne suis pas là pour donner des conseils en investissement, tout de même. L'important, c'est de donner de l'information. Ici, on parle de token. Nous savons tous qu'avec les crypto-monnaies, c'est comme l'or, ça peut monter comme ça peut descendre. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Je disais tout à l'heure que le token va rester stable. Si vous l'achetez à ce prix-là, ça veut dire que vous allez également recevoir tous les mois 20% par rapport à votre investissement, quelque chose, il n'y a pas de perte, vous recevez les 20%. Mais une fois que le token va monter après, tout dépend maintenant carrément des gens qui vont acheter et qui vont revendre. Parce que plus il y a des gens qui achètent, mais également d'autres personnes qui vont également vendre. La bonne nouvelle, nous avons un algorithme qui est capable. Chaque fois qu'une personne échange au niveau de PancakeSwap, l'algorithme rachète les tokens. va faire que même si le token reste, euh, va faire 1 dollar, ça va rester stable. Parce que c'est l'algorithme qui va racheter les tokens, ça va aller directement au niveau de la... Ce qui que, euh, en tout cas, cette opportunité est différente des autres. Alors, pour la deuxième question, comment consulter... Euh, alors, est-ce que c'est ça la question Comment consulter son investissement Alors, c'est très simple. Une fois que vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de suivre en direct. C'est-à-dire, à chaque fois, quand vous faites la transaction, à chaque fois quand vous achetez, il y a le H qui est là. Vous pouvez voir combien vous avez investi, mais également dans votre compte également, vous allez voir l'évolution à chaque fois, combien de pourcentage vous avez, euh, combien vous avez investi, l'évolution en tout cas, vous allez le voir dans votre compte euh, Meloax, le compte que vous avez créé pour investir. Mais également, vous pouvez retirer votre argent à tout moment. J'ai également oublié de dire quelque chose. Là, j'ai parlé du staking. Ça veut dire que l'investissement que vous avez fait, chaque fois, vous recevez 20% tous les mois. Jusqu'à la fin du staking, jusqu'à la fin des 365 jours. Une fois que c'est terminé, même l'argent que vous avez investi, vous récupérez. C'est différent des plateformes où on vous dit vous achetez une licence et puis la licence, vous ne le voyez même pas. Ici, c'est votre argent. À la fin du staking, vous récupérez. Également, vous récupérez les intérêts que vous aurez tous les mois. Sachant qu'ici, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, de faire vos retraits Quel accord entre Melo Hat et les artistes Donc pour ça, il n'y a que qui va répondre à cette question parce qu'il sera avec nous à 15h. Donc, il question-là. Euh, donc, il le touche mieux que moi parce que côté artiste, c'est lui qui gère. Je sais que euh, la semaine passée, on était ensemble ici à Radisson. Il était venu voir Youssou le grand musicien nous le savons tous. Euh, donc, ils sont en train de discuter dans les coulisses bah, quelque chose qui va se préparer. Donc, puisqu'on est en démarrage, on vient d'en être, les choses vont se savoir très, très, très bientôt. Donc, je pense que c'était la dernière question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais démarrer euh, la deuxième partie sur le plan de compensation mélo Alors là, c'est pour les personnes qui décident de partager l'opportunité. Qu'est-ce qu'on dit Celui qui a l'information a le... Et celui qui a ce pouvoir, s'il ne partage pas cette information, perd quoi Qu'est-ce qu'il perd Ce pouvoir. Donc vous avez le pouvoir aujourd'hui de partager MeloHat à toutes les personnes que vous croisez. Hein? le marketing de réseau, il y a mon ami qui est là, Diallo. Vous pouvez même échanger vos contacts. Échanger vos contacts. Qu'on dit, même prophète vient, contact vaut mieux qu'un master 2. Donc, c'est pas ce qui est fait demain. C'est important. Alors ici, nous avons cinq façons supplémentaires de gagner de l'argent avec MeloAds. Nous avons le level income, nous avons le team bonus, nous avons le 5 rank bonus et nous avons également euh, les les Fortrank Achievements et le Pool Bonus. On va voir ça en détail, qu'est-ce que c'est. Alors, pour les personnes qui décident de promouvoir l'entreprise, vous aurez 20% sur toutes les personnes que vous avez parrainées directement. On a l'habitude de voir que euh, les entreprises, euh, on vous donne des pourcentages sur les chiffres d'affaires. Ici, on ne parle pas de chiffres d'affaires, mais on parle par rapport au profit. Donc, quand je parle de profit, c'est-à-dire l'investissement que la personne a fait et que tous les jours, il reçoit des retours. C'est ça, les profits. Donc, vous allez toucher directement avec la personne que vous avez parrainée, c'est-à-dire la personne que vous avez invitée directement. Mais non, pour pouvoir débloquer le niveau 2, euh, débloquer également le niveau 3, il suffit de respecter ces conditions. On vous donne deux mois, soit 60 jours. Si vous avez la possibilité, la capacité de parrainer 5 personnes directes actives, voilà, avoir un volume d'équipe de 10 000 dollars, donc ça veut dire que le chiffre d'affaires que vous avez apporté à l'entreprise, donc si ça vous donne 10 000 dollars, ben, automatiquement vous débloquez le niveau 2 et vous touchez également 20% sur les profits de vos filles. Le niveau 3 également, si vous faites 10 directs actifs avec un volume d'affaires de 30 000 dollars, Là également, vous allez toucher 30%. Rien qu'avec ce bonus-là, vous pouvez faire énormément d'argent. Là, on ne parle pas de quelque chose que vous allez toucher de suite et que c'est terminé. Là, c'est jusqu'à la fin du staking. En, fait, c'est comme un salaire, en fait, ici. On vous paye presque tous les jours, tous les mois, vous allez recevoir. On donne un exemple ici. Quelqu'un qui a investi 10 000 dollars, soit 6 500 000 francs CFA. Exemple la, personne aura des retours 20% tous les mois. Vous également, vous allez toucher 20% sur ses profits. C'est-à-dire la personne fera 2000 dollars tous les mois. Vous, vous allez faire 400 dollars tous les mois. Faites le calcul. 400 dollars fois 650, c'est combien de francs CFA Je pense que c'est un salaire de quelqu'un. Et puis je parle que le niveau 1, le level 1. Imaginez le niveau 2, c'est-à-dire, la personne que vous avez invitée, j'ai invité Aram. Aram a invité Soda, par exemple. Donc, Soda est mon niveau 2. Par contre, Aram, euh, Soda est son niveau 1. Derrière Aram, également, je touche 20%. Derrière Soda, je touche 30%. Ça veut dire que plus tu avances, plus tu développes, plus ton réseau ben, agrandit, plus vous gagnez de l'argent. C'est ça le level income. Et là, c'est qu'un bonus. Alors, le team bonus différentiel. Alors, ici, c'est au niveau des rangs. Moi, j'aime bien être devant. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est le premier événement Melo Hats depuis qu'il a démarré. Ça veut dire que c'est l'Afrique qui a fait le premier événement de Melo Hats. Ça veut dire que nous, en tant que des Africains, on doit être fiers de nous. Et aussi, vous, vous devez être fiers de tous ces leaders qui sont là aujourd'hui à faire un travail vraiment extraordinaire pour vraiment euh, développer ces pays, parce que ce n'est pas que le Sénégal. Très bientôt, le 25 mai, on sera au Burkina, on vous donnera également rendez-vous. Donc ça veut dire que l'Afrique vraiment est au devant de la scène par rapport à Meloax. Là, vous pouvez vraiment... Voilà. Chapeau à vous, chapeau vraiment. Alors, puisque j'aime bien les rangs et j'aime bien être au devant, nous avons le premier rang. Ici, il nécessite tout simplement d'investir 500 dollars. Ben, en fait, les calculs, 500 dollars multipliés par 650, et vous verrez ce que ça donne. Donc ici, vous investissez 500 dollars. Maintenant, si vous aurez 20 000 dollars de chiffre d'affaires, automatiquement, vous allez recevoir 10 Mais 20 000 dollars répartis. Ça veut dire que vous devez avoir une équipe forte et une équipe faible. Alors, quand on parle d'équipe forte, c'est-à-dire c'est l'équipe qui a plus de chiffres d'affaires dans votre réseau. Automatiquement, on prend 50% de cette équipe forte-là. Maintenant, le reste, on va le prendre sur les autres équipes. Sachant qu'ici, on parle de l'unilevel. On ne parle pas de gauche et de droite. Ça veut dire que si vous avez la possibilité de pas... Personne, une armée mexicaine, vous pouvez le faire directement. Mais là, c'est un exemple euh, deux équipes, deux équipes bah, différentes. Ça, c'est un exemple, mais vous avez la possibilité d'avoir plusieurs équipes. Et ici, chaque personne qui entre, bah, c'est une nouvelle équipe. Donc, les pourcentages, c'est de 10% jusqu'à 110%. Ça veut dire tout simplement ici, plus vous avancez, plus vous avez un chiffre d'affaires, mais également vous gagnez. La bonne nouvelle pour toutes les personnes qui souhaitent démarrer aujourd'hui, au niveau 1 et 2, le rang 1 et 2, au lieu de 20 000 dollars jusqu'au 21 mai, si vous avez 2 000 dollars de chiffre d'affaires, vous, vous allez débloquer le rang 1. Jusqu'au 21 mai, si vous faites 6 000 dollars de chiffre d'affaires, vous débloquez également le rang 2. Après le 21 mai, donc les chiffres vont rester intacts, 20 000 dollars et 60 000 dollars. Donc ça veut dire que les personnes qui souhaitent vraiment démarrer, c'est le moment ou jamais. Donc ça va permettre aux leaders de pouvoir bien démarrer Meloax et de prendre des rangs. Alors le 5 rang bonus, c'est quoi Ça veut dire ici, je suis au niveau 3 et que peut-être Aram également est au niveau 3. C'est-à-dire mon fiel est au même niveau que moi. Et c'est possible, hein j'ai déjà vu mon back-office, il y a quelqu'un qui, qui va bientôt me dévancer. Pourtant, je suis la marraine. Mais une fois que c'est fait, ça veut dire que ce bonus-là, je ne vais pas toucher le pourcentage de 30% dans les normes. Mais puisque l'entreprise est gentille et que notre CEO est gentil, mon B, il a dit, OK, vous avez fait le chiffre, vous avez travaillé jusqu'ici, je vous donne 10% d'empêche sur ce volume-là que ton fiole a fait. Applaudissez pour notre très cher CEO. Alors, les sport donc, achievement. Ici, c'est une sorte de prime. C'est une prime, hein, OK? Euh, par exemple, vous faites un chiffre d'affaires de 20 000 dollars, automatiquement, vous touchez 3 Ça veut dire quoi 20 000 dollars. Euh, sur les 3 ça vous donnera 600 dollars. Là, là, là, là, là, si je fais 20 000 dollars, l'entreprise me donne cadeau de suite 600 dollars. si je fais également 7 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est l'objectif moi que je me suis fixé d'ici au mois de juillet. 7 millions de dollars de chiffre d'affaires, ça veut dire que je vais toucher 210 000 dollars. Chap, chap, comme le dit mes amis ivoiriens. Tu vas recevoir tout de suite, tout de suite. Et vous pouvez retirer également sur le champ. Il n'y a rien de beau comme Melo Alors, nous avons le global tourneveux pool. Donc, ici, il ne s'agit pas du chiffre d'affaires que vous faites, mais euh, en fait, ça concerne l'entreprise. Toute l'entreprise, en fait. Ici, on parle de 4% des revenus totaux de l'entreprise. L'entreprise est tellement gentille, <laughs> elle dit les 4% de ses revenus totaux, euh, elle va le, le redistribuer à ces niveaux-là. Pour une personne qui va prendre le rang 5, vous aurez 0,5% des revenus totaux de l'entreprise mais également vous prenez le rang 6, vous aurez 1% des revenus totaux de l'entreprise. Le rang 7 également, vous allez toucher 2,5% des revenus totaux de l'entreprise. C'est énorme. Raison pour laquelle j'aime bien les rangs, c'est la compétition. Ça vous donne également, euh, en fait, un niveau que vous n'avez jamais atteint auparavant. Et ça, ce qui vous donne ça, c'est le marketing de réseau. Donc, grâce au marketing des réseaux, vous allez voir que vous allez atteindre des niveaux que vous n'avez jamais atteints auparavant. Alors, pour le rang 5, par exemple, s'il y a deux personnes qui vont prendre le rang 5, vous allez partager les 0,5%. OK Pour le rang 6 également, s'il y a deux ou trois personnes qui vont prendre le rang, ils vont partager les 1%. Le rang 7 également. Mais si vous êtes la première personne qui va prendre ce rang-là, vous mangez seul vos pourcentages euh, les 1% tranquillement, les 2,5% tranquillement. Et puis moi, c'est ça que j'aime. Alors là, c'est un petit résumé de ce que je disais au début. Là, c'est un exemple. Votre niveau 1, c'est toujours la personne que vous avez invitée, la personne que vous avez parrainée. Il investit 10 000 dollars, soit 6 500 000 francs CFA. D'accord Sachant que les retours sur investissement, c'est 20 cela veut dire que la personne va recevoir tous les mois 2000 dollars. Vous, vous touchez, j'ai déjà expliqué, tous les mois jusqu'à la fin du staking, 400 dollars. Là, c'est le premier bonus, c'est énorme. Alors, tous les gains de retour sur investissement, c'est-à-dire l'investissement que vous avez fait, les retours que vous allez recevoir, ça sera un jet mais également pour le plan de rémunération, ce que je viens d'expliquer, voilà, vous serez rémunéré en USDT. Alors, le jeter map, je l'ai déjà expliqué, déjà convertible ben, sur PancakeSwap. Les, les, personnes qui ont des maps dans leur compte, il suffit d'aller sur PancakeSwap et échanger. Ici, on utilise le réseau Binance Smart Chain, BSC ou BEP20. Mais également, il n'y a aucun frais de dépôt à partir de 100 dollars. ici, ça veut dire que à partir de 50 dollars, il y aura trois frais de dépôt automatiquement. Mais à partir de 100 dollars, il n'y a aucun frais, mais également les frais de retrait, c'est 4%, soit 10 jetons de MAP, et les retraits sont traités donc, dans les 24 heures. Puisqu'on vient de démarrer, c'est normal. Euh, vous faites un retrait aujourd'hui, vous, vous pouvez le recevoir ben, <laughs> demain ou, dans la journée, tout dépend de l'écosystème. Mais juste après, dès lors qu'on va démarrer à 100%, tout sera automatique. Alors pourquoi nous n'avons pas choisi le modèle ICO C'est très simple. Monsieur a posé déjà la question. Nous savons qu'avec les ICO, sont généralement adaptés aux adeptes de la blockchain. Nous savons tous qu'ici, la majeure partie des personnes présentes, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'univers de la crypto-monnaie, n'est-ce pas Mais grâce au marketing relationnel, vous avez reçu l'information. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont essayé de checker sur Internet pour comprendre la crypto-monnaie, pour savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Là, déjà, je sais qu'avant de sortir dans cette salle, comme je vais le dire en Wolof, mais également am C'est important. Donc, grâce à cet écosystème de marketing multiniveau, euh, l'entreprise va cibler un public très varié. Que ce soit les artistes, nous avons également de la musique, mais également, c'est gens qui ont alors, nous avons également choisi le modèle euh, marketing de réseau pour acquérir rapidement une communauté, pour répondre également à la question euh, donc, euh, du monsieur qui a posé la question par rapport au milliard Token. Nous savons tous que l'objectif, c'est d'atteindre les 500 000 membres avant le mois de juillet. On ça veut dire que c'est quelque chose qui va aider à l'entreprise, non seulement elle-même, de gagner beaucoup d'argent, mais également à sa communauté. Alors, nous sommes en partenariat avec Advantage. Alors, c'est quelque chose également que j'ai fait pas expliqué au début. Advantage, c'est une entreprise créée par Morumbi, une entreprise dans le domaine de la publicité, qui est en train de créer, au moment où je vous parle, j'ai des amis qui sont déjà millionnaires avec Advantage, créé par Morumbi. Juste pour vous dire, ça veut dire que MeloAx fait partie de Advantage, raison pour laquelle vous avez vu Melo At, Euh, fait partie d'Advantage, qui est en train de créer des millionnaires en dollars. Également, avec notre partenaire Binance Smart Chain, Certic et Solid Group, donc ces deux vont, euh, euh, comment ça s'appelle encore, auditer l'entreprise. Voilà les amis, ce qui met fin à cette présentation de Melohat. Donc, euh, si toutefois il y a également des questions, par rapport au plan de rémunération, avant que je donne la parole à Sidina, n'hésitez pas, mais également, je vais vous dire quelque chose de très, très, très important concernant le CIO. E C'est la machine à cash, le plan de rémunération pour toutes les personnes qui veulent vraiment gagner de l'argent. Donc, pour les investisseurs, ben, ils peuvent investir et gagner énormément d'argent par rapport à ça et à la sortie de l'application également qui va aider beaucoup de personnes à pouvoir gagner de l'argent. En tout cas, comme je le disais depuis le début, Meloat c'est un, écosystème complet qui allie la crypto-monnaie, euh, la musique, mais également le marketing relationnel. Donc, pour, répondre à la question de Soda, donc, euh, y a-t-il des partenaires euh, au niveau des transferts d'argent Non, pourquoi Parce que je pense qu'au début, j'ai dit qu'on est une plateforme décentralisée. Donc, puisqu'on est une plateforme décentralisée, on ne peut pas être en partenariat avec euh, ces transferts d'argent-là, euh, avec, par exemple, les banques, où il y a l'État ou bien les institutions qui contrôlent votre argent. Je pense que dès lors, aujourd'hui, je disais que Melorat est en partenariat avec une telle banque, vous allez fuir. Bah, moi, personnellement, si on me disait que MeloAx est en partenariat avec quelconque banque, je ne vais pas faire ce projet moi-même, je ne mets même pas mon argent à la banque. J'ai mes raisons tout de même de ne pas mettre mon argent dans, les banques, mais tout de même, j'investis dans les crypto-monnaies parce que tous les jours, je me lève, mon portefeuille est en train de gonfler. Alors que la banque, vous déposez votre argent, est-ce que ça va bouger Ou bien quand vous laissez votre argent dans votre portefeuille en Monnaie ou Wave, ben, pour acheter les crypto-monnaies, il y a des plateformes spécifiques. Il y a également des applications spécifiques. Je viens de mentionner par exemple Binance. Binance est la plus grande plateforme exchange. C'est-à-dire vous pouvez acheter des USDT, vous pouvez acheter peu importe la crypto-monnaie, que ce soit Bitcoin, que ce soit les sitcoins, peu importe la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Voilà, je viens de citer Binance. Mais pour le transfert d'argent, pas du tout. Par contre, si vous voulez acheter, vous avez de l'argent en CFA. Toutes les personnes qui souhaitent démarrer, on peut faire une formation vous montrer, vous expliquer comment vous pouvez acheter des USDT avec votre portefeuille euh, Wave ou Orange Money avec Binance. Parce qu'il y a cette option Binance P2P où vous avez la possibilité d'acheter par web ou par Orange Money. Je le fais tout le temps. Ce matin, j'ai échangé euh, mes USDT en français et puis j'ai reçu mon argent euh, par web. Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.